information yu guis gis-gis bu leer oh, waaw waaw waaw Alfayda 90 point 1 kii Alfaïda, li may c'est la référence. ñun ñëpp ay nit diine lañ ñëpp fonk diine waaye diine itam dafa am nu tëralee su demee ba nit ñi war a loru su boobaa am na ay fal yoo xam ne yàlla daganalal na ko jullit ñi pour ñu def ko te yonent bi wax nañu ko nañuy moytu itam sabab sa cër yooyu ngay raxas dana setal sa cër yooyu yëpp te loolu su def nga ko juróomi yoon ci bis bi wala ñetti yoon lu tuuti tuuti mooy ne cet gi nga xam ne yonent bi digle na ko ba yonent bi di gis ne nañ ko topp gel yi ñu wax ne itam ñu koy def ci loxo yi nañ koy def ci loxo yi joxante loxo bi itam su demee ba nekk lor rek ñu bàyyi ko moo gën ak xafu dara rey ni toujours bu ñu dajee ñaari lor suñ tasee bi gën a oyof la bàyyi bi gën a oyof mooy joxante loxo beneen lor bi bu ñëwee fitna la bu boo xam ne nit ki lu ne dana ko daj ay mbokkam danañ ko daj nguur gi danañ ko daj kon nag nañ seet bi gën a yomb mooy ñàkk joxante loxo te du Merci de choisir la référence pour vous informer. 12h au studio Alem Moumar le émettant de Medina Baye. Voici l'essentiel de cette édition. Santé à Kaolaka. bientôt des examens de scanner gratuits pour les patients pendant sept jours, au cours desquels un camion mobile équipé de scanners va stationner à l'hôpital régional Elage Ibrahim Kaolac, le syndicat des pharmaciens du Sine Saloum invite les populations à plus de vigilance et les autorités à plus de rigueur dans les contrôles. Ceci après le démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants de faux médicaments à Dakar. Éducation bientôt des daras préscolaires au Sénégal, une nouvelle trouvaille de l'État pour faire de l'éducation inclusive une réalité. L'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la vu des quotidiens mettre fin à ce journal. Bonjour et bienvenue. Le journal. Fatoumata Kamara Bangoura. Avec la conduite technique de Code Sec Kinemi, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. D'abord, le point du jour sur le coronavirus au Sénégal. Ce vendredi, de nouveaux décès liés à la pandémie sont annoncés. 58 tests revenus positifs, 16 cas graves en réanimation et 67 patients déclarés guéris. C'est le résumé du communiqué du ministère de la Santé publié ce matin toujours, cette fois à Kaolac, à l'hôpital régional qui va bientôt recevoir un camion mobile équipé d'appareils de scanner pour la prise en charge des patients gratuitement. Les précisions avec la directrice du dit hôpital, Madame Radidia Toussar-Kébé, interrogée par Cher Réitérons notre engagement pour améliorer la qualité des prestations de services et la satisfaction des usagers. Donc, euh, c'est ça notre sacerdoce. Il y a sûrement des manquements et nous nous en excusons davantage de ces manquements et nous travaillons à les améliorer. Nous avons eu l'opportunité et nous l'avons saisie à travers le président du conseil départemental de Kaoulak, M. Barbagnay, et à travers Mme Rose Vardini de l'association Médisol International. C'est Mme Vardini qui a eu l'occasion d'amener le camion euh, mobile à Kaolak. Donc, euh, c'est une stratégie déjà affective parce qu'elle est de Kaolak et nous, nous avons pensé que les populations de Kaolak méritent cela et que le scanner constitue peut-être un des examens les plus chers à l'hôpital. Et il y a beaucoup de populations qui peinent à euh, accomplir cela s'ils ne sont pas des fonctionnaires ou s'ils ne sont pas affiliés à des mutuelles ou à des IPR. Donc, nous pensons que c'est une grande opportunité pour l'hôpital du 21 au 27 de pouvoir avec l'unité mobile que le Royaume du Maroc a dépêché dans la zone ouest africaine, que ces populations puissent en bénéficier. Et nous avons fait mise en place un comité, un comité multisectoriel qui représente les acteurs de l'hôpital, mais qui contient aussi des membres du conseil d'administration, du conseil départemental, de la région médicale et de l'association Médisol International. Et en commun, nous avons travaillé sur un processus, nous avons travaillé sur un DTDR et nous avons travaillé aussi sur un communiqué parce que l'information est très importante et il faut que l'information soit distillée dans la région et hors de la région de Kaoula. pour que les gens de Kafrine puissent en bénéficier et les populations de fatigue aussi puissent en bénéficier parce qu'il y a une capacité jusqu'à 500 scanners gratuitement donc ça c'est une grosse opportunité et c'est important il n'y a pas de manque à gagner pour l'hôpital parce que ce qui intéresse véritablement l'hôpital c'est la santé des populations et l'accessibilité économique qui est présente dans cette opération. Notez que ce camion équipé de scanners est le fruit de partenariats entre l'hôpital régional de Kaolac, le conseil départemental et l'association Médisol internationale, une collaboration qui va continuer dans d'autres programmes selon la directrice Radidia Toussar Kébé. Les résultats attendus, c'est d'abord une vision que d'autres projets vont suivre, parce que ça, c'est une première, avec euh, l'association Médisol International, avec le conseil départemental, mais l'hôpital de Kaura, centre hospitalier Elage a des projets qui vont jusqu'en 2023. Donc, nous pensons bâtir un partenariat avec l'association de Mme Rose Vardini. Nous pensons approfondir la contribution du conseil départemental pour que les projets qui restent dans le projet d'établissement puissent trouver preneur et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc ça, c'est une première vision. La seconde, c'est que les populations puissent en bénéficier au maximum. Et ça, nous l'avons organisé. Et déjà, les points d'enregistrement, comment s'enregistrer, qu'est-ce qu'il faut pour faire, la collaboration des membres de notre service de radiologie, tout cela est mis au point par un processus clair et défini et validé par le comité qui a été mis en place. Une autre actualité liée à la santé après le démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants de faux médicaments à Dakar avec plusieurs tonnes de produits pharmaceutiques saisis à Kaolaka, C'est le syndicat des pharmaciens du Sine Salomo qui réagit et qui condamne euh, en demandant le durcissement des actions pour mettre fin à ce phénomène. Un reportage à Cher Tiansar. Encore une autre saisie de tonnes de faux médicaments estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Docteur Ibrahim Diop est le responsable du syndicat des pharmaciens du Sud Saloum, zone centre. Ce que je sais d'abord dans ce dossier-là, c'est qu'on a démantelé un réseau, une société de la place qui vendait des matériels médicaux. Qui dit matériels médicaux dit des seringues, dit des perfuseurs. Quand vous le vendez ici au Sénégal, je pense que tu ne passeras pas par une autorisation au niveau du ministère de la Santé ou bien au niveau de la direction de la pharmacie. C'est tout simplement un risque de commerce plus Lorsqu'ils sont descendus dans les lieux, ils se sont rendus compte qu'il y avait des solutés, des chlorides de sodium, des ringues, du glucose. Bon, alors que ces produits-là sont des médicaments. Des médicaments avec le réseau démantelé, dont deux pharmaciens. Mais le problème, c'est qu'ils ont annoncé deux pharmaciens. Et ces deux pharmaciens-là, à ce que je sache, la société les a recrutés, l'un comme pharmacien responsable et l'autre comme pharmacien commercial. Il y avait aussi un chinois. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont ces papiers pour exercer ce métier-là En tout cas, ça reste sous les mains de la justice un travail de la sûreté urbaine qualifié colossal par Ibrahim Diop, certes, mais qui demande à l'État davantage corser la lutte. Nous, en tant que pharmaciens, moi je pense que on encourage la sûreté urbaine sur ça. On encourage la douane sur les saisies parce que ces temps passés, on a saisi presque un milliard de médicaments ici au niveau de Kaolack. Il y a le problème de Touba Belel, il y a le problème des dépôts de Touba, il y a des problèmes de Kesseringbi. Mais je pense que la manière dont ils ont fait pour attraper ces gens-là, on les encourage qu'ils aillent au niveau de Touba pour les dépôts, qu'ils aillent aussi au niveau de qu'il ait aussi démantelé dans les frontières les médicaments qui entrent à travers les pays voisins pour accéder au niveau du Sénégal. Un trafic qui rappelle l'affaire de la saisie par la gendarmerie à Touba Belel et la grâce accordée au cerveau Amadou Ouri Diallo, d'où cette fameuse question qui protège la mafia des faux médicaments. Cher Tidjane Sahara, ce problème de faux médicaments est un problème de santé publique avant tout, selon le président du syndicat des pharmaciens du Sine Salom. Ibrahim Diop invite les populations à plus de vigilance. Nous l'écoutons. Les risques sont graves parce que les faux médicaments, il y a l'insuffisance rénale, ça cause aussi des hypertensions artérielles, ça cause euh, des morts subites avec les sildenafines, les Viagra qu'on voit partout dans les marchés hebdomadaires. Donc euh, le problème, c'est un problème de santé publique. Moi, je pense que nous tous, nous sommes interpellés. Aussi bien nous, pharmaciens, aussi bien les douanes, aussi bien la gendarmerie, aussi bien la population. Tout réseau de trafic de faux médicaments doit être décelé, doit être dénoncé. Et nous, nous sommes là pour ça. En tant que syndicalistes, nous n'accepterons pas que ces médicaments-là soient trafiqués ici au niveau du Sénégal. Et nous nous encourageons les gens qui les traitent. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. Éducation, le Dara préscolaire, une nouvelle trouvaille de l'État du Sénégal dans le cadre du programme de l'éducation inclusive. À quoi va consister réellement ces Dara préscolaires Élément de réponse avec Cher Diop en charge de l'éducation des Dara à l'IF de Kaolak. Ses propos au micro de Noambiaye. Dans l'approche, le ministère de l'Éducation nationale mise sur une option participative et inclusive par rapport à ce qui représente aujourd'hui une offre d'éducation nouvelle qui tend à être formalisée pour éventuellement être reversée dans le système éducatif sénégalais, qui dans le cadre de la vision globale de l'État du Sénégal s'inscrit dans la perspective de mettre à disposition une pluralité d'offres, manière de prendre en charge l'intégralité des demandes d'éducation. Le DARA préscolaire, c'est un cadre d'éducation mais qui s'adresse de manière spécifique aux enfants qui se situent dans la trans d'âge 3-5 ans. Parce qu'avant l'émergence et l'institutionnalisation de ces daras préscolaires-là, il y avait ce qu'on appelait les DARA modernes. Mais ces DARA modernes prenaient les enfants qui sont âgés à partir de 5 ans pour faire un cursus étalé sur 8 ans. Ce qui fait que donc le volet un peu préscolaire, qui est un volet extrêmement important, n'était pas pris en charge. Et aujourd'hui, c'est le lieu d'étendre l'offre à cette catégorie de population, étant entendu que nous sommes en phase d'une lutte pour relever le taux brut de préscolarisation au Sénégal. Et par rapport à ça, les entrées doivent être multiples. Parce que si on se base seulement sur l'entrée classique qui constitue les écoles préscolaires classiques, on ne va pas régler le problème. Donc il est question d'apporter une nouvelle offre qui s'adapte mieux aux attentes des populations. C'est la raison pour laquelle on a conçu le modèle de DARA préscolaire. Notez également que ce programme concernant les daras scolaires, euh, le programme sera axé d'abord sur l'éducation religieuse et coranique et toutes les conditions seront créées pour répondre ainsi aux normes éducatives du Sénégal. Une autre précision de l'inspecteur Cher Diop que nous réécoutons. D'abord, c'est du Coran, c'est de l'éducation religieuse, mais l'objectif, c'est que cette éducation-là soit ancrée sur nos valeurs spirituelles. Parce que la façonnation d'un individu, c'est pas que seulement des capacités, mais c'est aussi des attitudes. Et il n'y a pas meilleure attitude que celle-là qui se réfère aux attitudes produites et postulées par l'islam. C'est la raison pour laquelle on a favorisé véritablement ce domaine qui est éducation religieuse. Mais à côté de ce domaine, il y a le domaine langue et communication il y a le domaine éveil au milieu et il y a le domaine EPSA. Ça veut dire que, en plus de ce qui existe déjà sur le terrain avec les écoles préscolaires, il y a le volet religieux qui va venir maintenant pour faire la différence majeure. Un paquet sera mobilisé pour apporter une réponse adéquate. Parce que ça, c'est un diagnostic qui a été fait et puis un diagnostic sans complaisance. Maintenant, au-delà du diagnostic, il va falloir développer des stratégies. Dans ces stratégies, c'est d'abord la formation des enseignants, l'élaboration d'un référentiel de compétences pour les dares préscolaires et l'élaboration un guide pédagogique qui sera donné aux enseignants pour que les enseignements puissent se faire dans les meilleures conditions. Mais à côté de ça, il y aura l'environnement qui va être amélioré avec des équipements adaptés à l'âge des enfants. Et une parenthèse, c'est que ces daras-là, c'est des daras non publics. Nous sommes venus accompagner des bromes daras qui ont leurs daras. Mais il y a dans la perspective de rendre public cette offre la construction de daras préscolaires publics. Dans la région de Kaolak, il y a deux daras préscolaires qui seront érigés. Le plan architectural du dara qui se situe à presque 55 millions. Donc ça veut dire que sur le plan architectural, ça sera un dara révolutionnaire. 12 heures passées de 10 minutes dans la commune de Dia, assurer une sécurité alimentaire dans le monde rural. L'ONG AIFA International a procédé à la remise des têtes de moutons aux familles démunies dans le cadre du programme de renforcement de la résilience au choc d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Compte rendu, cher Diagne. Le projet de renforcement de la résilience au choc d'insécurité alimentaire et nutritionnelle a appuyé plus de 40 ménages à la commune de Dieu. Docteur Daoud Ndawa est le directeur des programmes de l'ONG Haifa International Sénégal. Donc aujourd'hui, on va trouver des familles qui, après la COVID, ils ont déjà fait le passage des non et ils ont dans leur maison un chapelle qu'ils peuvent utiliser en cas de choc, comme ce qu'on vient de, subvenir, de vendre ces moutons, ces chèvres ou de la volaille pour subvenir à leurs besoins. Donc aujourd'hui, là, on peut le voir comme un impact réel avec euh, les animaux qui constituent un peu l'épargne en milieu rural. Hein. Donc quand un ménage veut lui donner des moutons ou des chèvres, même s'il est devant un problème, il peut tout juste donc en prendre, aller au marché et régler ses problèmes. Donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui on a encore touché ici dans la commune de Dia 20 autres ménages qui viennent recevoir chacune donc deux En collaboration avec le Conseil national du développement de la nutrition CNDN, le responsable du projet Haifa International s'est prononcé également sur l'objectif de cet appui. Et dans ce cadre, Haifa était appelé à introduire des technologies innovantes pour accompagner les familles vulnérables dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau communautaire. Et c'est dans ce cadre qu'on a pu mobiliser plus de 50 millions pour euh, venir appuyer les familles les plus vulnérables. Et aujourd'hui, donc, on assistait à la remise ici dans la commune de Dia. Un geste vivement salué par les bénéficiaires. L'un d'eux, son nom Mamadou Moustapha Ndiaye. parce que doon am ay jafe-jafe te ren wóor na ma ne bu tee yàlla ñëwul sama jafe-jafe tabaski du yomb parce que yor naa fa kuy boo xamante ne nii ci xar yi la juddoo tey tey tey ku ma jafee deux cent mille ma bañ. Rappelons que la cérémonie de remise des animaux a eu lieu hier à la commune de Dieu à présence du premier magistrat de la ville. Cher Tidiane venu également prendre part à cette euh, cérémonie de remise de moutons. Aminata Ndoye, responsable des opérations au Conseil national de développement de la malnutrition, qui a mis un accent particulier sur la nécessité de ce programme dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Nous l'écoutons. Tout ce qui est l'amélioration de l'alimentation, la diversification de l'alimentation du jeune enfant, nous avons touché aujourd'hui 1521 ménages vulnérables. Et dans ce cadre, des milliers de sujets ont été introduits au niveau des ménages. Pour tout ce qui est acteurs communautaires, euh, chaque groupe d'acteurs, par exemple les femmes leaders, c'est 250 femmes au niveau des six départements et au niveau de Kaolak, chaque commune a 10 femmes leaders, a 10 facilitateurs de dialogue communautaire et 5 micro-entreprises donc, euh, et ça, ça vient renforcer le paquet d'activités de nutrition qui est délivré au niveau de plus de 3000 villages, je pense, dans la région de Kaola, où des activités sont données de manière continue, offertes au profit des enfants et du couple mère-enfant globalement. Et par rapport à la Covid aussi, et tout ce qui a restriction autour, on avait suspendu les activités au niveau communautaire pour mieux nous préparer, pour en tout cas permettre aux acteurs communautaires de délivrer les services en toute sécurité. Et par rapport à ça, il y a eu le renforcement de capacité des acteurs communautaires, il y a eu la mise à disposition de kits de protection, notamment des masques, notamment aussi des produits d'hygiène. Vous suivez, suivez le journal, le journal. Karim Ouad vient de renforcer la capacité du PDS en lui dotant de plusieurs véhicules 4x4 pour ainsi préparer les prochaines locales à Kaolak. L'acte est salué et apprécié par Ibrahim Kanté, responsable PDS. Par ailleurs, ce dernier demande aux démissionnaires de rendre les véhicules au parti, propos recueillis par Cher Babacardier. Non, c'est pas une première au PDS. En 1983, lors de la campagne électorale, Metrowal avait amené des centaines de 505 et une sonorisation qu'on pouvait attendre de Dakar à Djamnyadjo. Ça s'est reproduit en 88, si bien que certains directeurs du PDS avaient pensé que le PDS faisait une campagne à l'américaine. Il est normal pour la préparation de l'élection de 2024 que Karim Wade appuie le parti, équipe le parti. Nous nous en félicitons. Mais seulement, le PDS a des voitures dans la ville de Dakar et au niveau national. Il y a des gens qui nous ont quittés et qui ont refuser de rendre ses voitures. Et je prends comme exemple le cas les mandarins Il prend notre voiture double cabine qui prête à ses militants, mais il a quitté notre parti. Il doit avoir la dignité de nous rendre notre véhicule. Nous avons besoin d'une permanence qu'il faut équiper et il faut doter la permanence d'une voiture. Ça, on en a besoin parce que le PDS prépare aussi bien les élections locales que l'élection législative et l'élection présidentielle. Nous nous préparons en conséquence et nous nous préparons pour participer à ces élections, non pas pour faire de la simple figuration, mais c'est pour gagner ces élections. Et nous avons la la possibilité de gagner ces élections. Non, il faut que tout arrive à l'heure. Le matériel, les ordinateurs pour équiper la permanence et avoir les moyens de rendre visite à nos militants au niveau des 45 quartiers de Kaolack. Direction le sud du pays pour un autre aspect de l'actualité. Il s'agit du problème foncier dans l'arrondissement de Nyangis qui continue d'alimenter les polémiques. Ce mercredi à Katem, les populations sont sorties pour s'opposer à la réalisation d'un lotissement de 2 hectares au profit d'une coopérative face à la presse. Elles ont déploré le comportement des autorités dans la gestion de cette affaire qu'elles qualifient vie de spoliation des terres. Madia Diop porte leur parole au micro de Mohamed il s'agit en fait d'une coopérative de la SDE qui avait à son temps 25 hectares, soi-disant qui ont été légués par la communauté rurale de Niagis à l'époque. Les gens de la mairie actuelle sont en train de suivre le dossier. Mais malheureusement, dans ce problème-là, il n'y a pas de consentement avec les populations qui sont ici, mais aussi les populations qui ont des terres ici au niveau de Canton, précisément connues sous le nom de Mandina Mankagne. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont été surpris aujourd'hui d'être réveillés par le bruit des tracteurs ou d'un qui est en train de baliser des chemins pour cette soi-disant coopérative. Et ces populations sont sorties en masse pour dire non parce que pour elles, il n'y a pas encore de consensus, il n'y a pas encore de dialogue. Donc dorénavant, pour qu'une chose soit faite, pour qu'un lotissement ou une affectation de terre soit faite à la coopérative de Seine-Eau, il faudrait notamment parler, dialoguer avec ces populations, mais aussi demander à la mairie de Niagis, au préfet de Jiguensor, au sous-préfet de Niagis, au chef de village de Mandina mankagne tous et toutes les autorités compétentes à savoir même le cadastre, d'appeler ces populations-là pour qu'ils puissent dialoguer, avoir une entente. Parce que aujourd'hui, nous savons tous que la terre constitue une richesse. Parlons à présent de ressources minières au Sénégal pour une gestion transparente du secteur minier et gazier. Le Sénégal vient d'initier une grande réforme dans ce secteur, des réformes justifiées par le professeur Awa marie cole Sec, présidente du Comité national des initiatives pour la transparence des industries extractives ITE. Nous l'écoutons au micro d'Aronagna. Au niveau de l'ITIE, nous avons veillé à ce que malgré la pandémie, nous puissions vraiment travailler et faire avancer les dossiers. D'ailleurs, vous verrez vous-même que c'est en 2020 qu'il y a eu certaines réformes au niveau du Sénégal. Mais également, si vous regardez par exemple les résultats du Conseil des ministres, il y a eu le Conseil des ministres, je pense, du mois de décembre, où on a dit clairement que les ministres concernés par les mines, le pétrole et le gaz, ainsi que le ministre des Finances, devraient travailler avec l'ITIE pour faire avancer tous les dossiers sur lesquels il y a encore du travail à faire. C'est bon pour vous dire que même au niveau du secrétariat et au niveau du comité national, nous avons toujours tenu nos réunions. Elles étaient en véminaire, mais elles ont toujours eu lieu. Certains pays n'ont pas pu le faire. Et donc là aussi, le Sénégal est regardé de près. Les gens disent comment vous avez pu. Quand nous nous représentons l'Afrique francophone au niveau du Conseil d'administration internationale, les gens nous posent des questions. Nous, on n'arrive pas à se voir, nous, on n'arrive pas à faire des activités. Bien sûr, il y a eu un impact. Il y a eu un impact sur, par exemple, notre campagne de sensibilisation. Vous savez que nous avons eu un lancement qui s'est fait où nous avions voulu que ce soit dans une grande salle avec la distanciation sociale, etc. On a pu le faire. Mais après, il y a eu une période où la pandémie a eu quand même une progression au Sénégal à un moment, ce qui fait que nous avons dû changer un peu le fond format de la dissémination. Actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières, une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Nigeria, des centaines d'habitants de Damasak dans le nord-est du pays fuyaient mercredi vers le Niger voisin à la suite d'une série d'attaques djihadistes. Actualité internationale. Au Burkina Faso, au moins huit supplétifs euh, civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste ont été tués et d'autres portés disparus mercredi lors d'une embuscade dans le département de Gorgadji, tendu à une de leurs patrouilles dans le nord du pays, selon des sources sécuritaires et locales. Au Bénin, le président Patrice Talon a durci le ton au lendemain de sa réélection, promettant de poursuivre et de punir les responsables de violences Préélectoral. En Côte d'Ivoire, le parquet de la cour d'assises d'Abidjan a requis mercredi la prison à perpétuité contre l'ancien chef de guerre Amadé Ouérémi, accusé de crimes contre l'humanité dans l'ouest du pays en 2011 lors de la crise post-électorale. La défense a pour sa part dénoncé des zones d'ombre dans ce procès qui a débuté le 24 mars et dont le verdict est attendu les jeudi. Actualité internationale. Des soldats érythréens ont fait trois morts et au moins 19 blessés en tirant lundi sur des civils désarmés à Adwa, dans la région septentrionale éthiopienne du Tigré. Le Danemark est devenu premier pays européen a annoncé l'abandon du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, justifiant ce choix radical par les effets secondaires rares mais graves de ce vaccin, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS pour son utilisation. La pause dans l'administration du vaccin Johnson Johnson aux États-Unis est prolongée d'au moins une semaine un groupe d'experts réunis mercredi ayant dit avoir besoin de plus de temps pour évaluer ses possibles liens avec la formation de graves cailloux sanguins. Actualité internationale. Le président américain Joe Biden a confirmé le retrait de toutes les troupes étrangères d'Afghanistan d'ici le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 qui avaient provoqué l'intervention des États-Unis. La policière blanche qui a abattu un jeune Africain-Américain près de Minneapolis dans le Minnesota a été arrêtée et inculpée pour homicide involontaire, puis libérée sous caution des manifestations marquées par des affrontements avec la police ont eu lieu mercredi soir à Minneapolis dans la quatrième, pour la quatrième nuit consécutive. À Minneapolis pendant ce temps, après deux semaines accablantes pour la défense, l'avocat du policier blanc Derek Chauvin, accusé d'avoir tué l'Africain-Américain George Floyd, a marqué des points mercredi avec le témoignage d'un médecin légiste qui a contre les experts produits par l'accusation. Selon ce dernier, Floyd était mort d'un arrêt cardiaque et non par asphyxie sous le genou du policier. internationale. Une commission du Congrès américain a entamé mercredi soir un débat très attendu sur le principe d'une compensation financière pour réparer les méfaits de l'esclavage en vigueur aux États-Unis de 1619 à 1865, avant un premier vote historique dans un pays encore marqué par les discriminations raciales. Actualité internationale. Ou le tour d'horizon sportif signé par euh, Monsieur Sport de la Maison Moussakana. Bonjour. Bonjour Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec du football. Début de la 13e journée nationale une ce soir, Jeanne d'Arc de Dakar reçoit Oslo FA à 16h30 à Alassane Djigo. Darussalam reçoit Université Saint-Louis Angalandou Diouf pour la nationale 2. HLM reçoit USPA à 14h à Alassane Djigo. Quart de finale, retour Ligue Europa. Villarreal a battu hier Dynamo Zagreb 2 buts à 1. AS Rome et Ajax Amsterdam ont fait match nul 1 but partout. via Prague vers Lourdes mois devant Arsenal 4 buts à 0, Man United bat Grenade 2 buts à 0. 33e journée Ligue 1 en France à 19h, Lille reçoit Montpellier. 32e journée Prime League en Angleterre, Everton reçoit Tottenham. 29e journée Bundesliga en Allemagne, Leipzig reçoit Offenheim à 18h30. Beach Soccer Cannes 2021 quintuple vainqueur du trophée. Le Sénégal va abriter pour la première fois de son histoire la Cannes Beach Soccer comme le week-end dernier la plage de Yamala, le stade Ibrahim Ndiaye Chita et la plage hydrobase de Saint-Louis abritait les marchés de Beach Maître Augustin Senghor a annoncé que la Cannes Beach se jouera à la station balnéaire de Sali, Portugal, sur la petite côte du 23 au 30 mai prochain. Présidence Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor a confirmé son intention de briguer un quatrième mandat. Il a fait l'annonce en présence de ses collaborateurs Sek et Abdoulaye Saw, mais sa volonté s'est heurtée à celle de son premier vice-président CRSEC qui annonce également à son tour son intention de présider les quatre prochaines années la Fédération sénégalaise de football. Première journée championnat handball, match en retard à 20h30 ce soir au stadium Ibamar Diop de Dakar. Diamono reçoit Duc en junior senior dame, jean d'Arc Duc à 22h en senior homme. Voilà Fatoumata ce qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Juma Moubarak. La revue de presse. De presse. L'Obs Pop Le Soleil, ou Quotidien, Welf le matin. 12 heures passées de 27 minutes place au quotidien Paris ce vendredi, lu et commenté par le prince du Salomon, cher Sar. Bonjour, violence à l'UCAD, l'assemblée de l'université Séville, titre qui parle la une du journal Le quotidien national Le Soleil, le conseil restreint de l'assemblée de l'université Charente Diop de Dakar a décidé de suspendre toutes les amicales des étudiants jusqu'à nouvelle ordre et invite le directeur du CUDE à procéder à la fermeture totale du campus social jusqu'à la mise en place d'un nouveau système de gestion de la codification. Ce conseil restreint qui s'est réuni mercredi en visioconférence sous la présidence du recteur Ahmadou Alimbaï a abordé la question de la violence survenue au campus social dans la nuit du jeudi 25 au 26 mars et l'imputable à deux associations Kekendo et Ndefleng. Ces violences s'étaient soldées par le décès du nommé Ismail Gaoussou Djemé le dimanche 11 avril suite de ses blessures. Toutefois, rapporte nos confrères, le centre des œuvres universitaires Koudou décide de ne pas fermer le campus. Le conseil d'administration du Koudou a retenu après analyse qu'il n'est pas compétent pour prendre une telle décision. Par conséquent, la proposition de fermer le campus social n'a pas été retenue, fait par le Koudou dans un communiqué. Le centre des œuvres universitaires de Dakar se déclare incompétent pour la fermeture du campus social rapporte Libération. Selon Walfadjeri quotidien, le Koudou balaye la décision du recteur. Les étudiants, pour leur part, déchirent la résolution de l'Assemblée de l'université tandis que le Koudou se déclare incompétent, relève le quotidien qui barre à sa une temple de tension. Les échos parlent de cacophonie totale à l'UCAD. Le conseil resterait voulait la fermeture du campus et la dissolution des amicales. Le Koudou se déclare incompétent. Les étudiants rejettent les mesures, dénoncent le nouveau recteur et charge le ministre de l'Enseignement supérieur, écrit le journal en politique. Le témoin note que le deal majorité-opposition continue au sujet de l'organisation des élections locales. Le comité restreint mis en place pour rapprocher les positions de la majorité et de l'opposition sur la table des élections locales n'a pas pu arracher un consensus entre les deux parties ce jeudi, d'après le journal. Si du côté de l'opposition, en sarcopoute sur le mois de décembre 2021. La majorité opte pour des élections au plus tard fin février 2022, explique la publication. C'est toujours l'impasse, déplore le journal Sud Quotidien. Parlons tout à fait autre chose avec le quotidien Enquête qui revient sur l'hommage rendu au général Lamine Sissé à travers le colloque organisé par l'ONG partenaire Ouest Africa et affiche à sa une éloge au patriotisme. Autre information avec le le quotidien La Tribune, pénurie de la bouteille de gaz de 12 kg vers un accaparement du marché par Total. Le quotidien critique parle de faux médicaments, laboratoires d'avortement et la saisie de plusieurs milliards de francs CFA par la sûreté urbaine. Serinbi, d'après le journal Mouroir, au cœur de Dakar, les associations de consommateurs et professionnels du secteur pour une information judiciaire sur la dernière saisie. Pendant ce temps, l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, à travers leur président Président Amadnian soutient qu'il y a lieu d'aller vers la criminalisation. Parlons du mois de Ramadan avec le quotidien L'Évidence, maison d'arrêt et de correction de Kaoulek Abdoulaye Khouma élevé au rang d'honneur de récidiviste numéro 1 du social pour parler de ses dons et de ses actions sociales envers les populations de Kaoulek En sport, pour terminer avec le quotidien Sunulam Boignan de échoue à l'arène nationale amant pour briser la malédiction contre Modulo. Tensi. À vos kiosques et bonne lecture. Alfaïda FM 90.1. Et voilà, c'était la dernière partie de cette édition. Merci à toi, cher Tidiane Nassar. Notez que l'information revient à 13h en Wolof avec un Radisadio. Avant de vous quitter, le rappel des titres. Santé à Kaolac, bientôt des examens de scanner gratuits pour les patients pendant sept jours, au cours desquels un camion mobile équipé d'appareils de, scanners scanner va stationner à l'hôpital régional Elage Ibrahim le syndicat des pharmaciens du Sine Saloum invite les populations à plus de vigilance et les autorités à plus de rigueur dans les contrôles. Ceci après le démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants de faux médicaments à Dakar. Éducation bientôt des daras préscolaires au Sénégal, une nouvelle trouvaille de l'État pour faire de l'éducation inclusive une réalité. L'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens ont mis fin à cette édition, une édition réalisée par Defatou Sissé. Avec la conduite technique de Code Sec Keneme, nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1. le journal. Fatoumata Kamara Bangoura.